cette question et de permettre au Parti passé de continuer d'exister. Et le plus grave encore, c'est le silence observé sur la radiation de Ousmane sur les listes électorales. Quand même, si les avocats de Ousmane saisissent cette haute cour de la justice, justement, c'est parce qu'ils pensaient, et c'est le cas, que c'était dans leur compétences de pouvoir se prononcer sur cette question cruciale qui concerne la participation d'un citoyen à une élection présidentielle. Mais ils ont observé un silence total sur cette deuxième question, sur cette question qui renforce, qui donne une idée de l'état de la démocratie d'un pays. La Cour de la CDAO devait prendre ses responsabilités et donner une décision. En tout cas, cette Cour nous avait habitués avec Karim Meissawad, avec Khalifa Sall, à lire le droit. Même le plus souvent en allant dans le, dans le contresens des décisions qui étaient rendues ici et que cette Cour ne jugeait pas conforme. Donc on s'attendait à ce niveau-là que ça soit le cas aujourd'hui, mais nous avons été extrêmement déçus de cette décision euh, nous ont à euh, décision pour nous nous fait dans nos japon, nous pour dox Ousmane mu mën a dem wuti ay parrain parce que wut parrainage dafa demander temps te damay fàttali ni du 11 au 26 décembre bi ñu jëm le nit ñi war commencer déposer léegi bu fekkee dañoo renvoyé ñëpp devant le tribunal d'instance de Dakar beneen procès bu ñuy tàmbaliwaat la te ku nekk xam ne ni procès day jël temps te boobu benn instance lay doon amaat yeneen ak yeneen instance yu nekk ci ginnaaw loolu ba kañ lay jeex ba nga xam ni le président Ousmane intervalle de temps presque yegsi nañ ci collecter et déposer donc pour dire quand même que c'est une décision qui nous surprend C'est une décision qui nous déçoit et quand même di di di di di di déglu di di wax le président Macky Sall que bu ay avocats étrangers ñëwee ba Sénégal démocratie la am na mu koy gisee loolu dafa demander taxaway te taxawaay bi mu demander moy fexé ba liko Abdoulaye Wade mom defal au moins mu baye chaque citoyen sénégalais bénéficie bénéficier de l'homme. Abdoulaye Wade bu ñu bu dressé won obstacle devant lui jamais il ne serait président de la République aujourd'hui pourquoi nous dresser obstacle devant tout opposant devant toute personne qui a une ambition et c'est ça qui est regrettable et c'est ça qui est vraiment à dénoncer Ne bàyyi le président Ousmane Sonko milliers de Sénégalais ont espoir projet du pour am élection présente présenter que devant le peuple sénégalais Le peuple souverain tant que kan son prochain président mais nous, d'emblée il y a une sélection qui nous ngay présenter devant ce peuple sénégalais Le but du film et la décision la bi nga franchement ça remet tout ça remet tout à ses débuts c'est une mise à jour on retourne au point de départ et ku nekk xam na temps bi nga c'est ni moom lay jëlaat décision décision, c'est de fa dëgg yàlla faut donner CDA au peuple africain Il faut CDA au chef d'état pour peuple africain ak pays bu a aspiration lan la jàpp ni le peuple boobu bëgg mu lu ci ak parce que bu fekkoon ni ñiy dem ci ñoom satisfaction ca la nekk ci ci biir kon du ñu si ci décision décision bi nga xamni la ñom habitué wuñu won ci décision yu mel le plus souvent ci Karim ak ci Khalifa Sall bu doon am ay décision yi nga xamni mom moom la ñu jël fi au contraire ñom doon doon jël ay décision contraire pour faire en sorte que ñu mën respecter seen ay droits tay nak vraiment lu ñu xaarul woon la ñu gis ci ñom lu ñu xaarul woon du tout la ñu gis ci ñom benen bi mooy euh, li ñu wax ni duñu prononcer wu ci sujet majeur bi nga faut retenir l'attention du monde entier muy li Ousmane Sonko ci liste électorale Afrique cour de justice ci question majeure nga qui silence radio, C'est très très inquiétant et vraiment cette cour de la CEDEAO décision observation ak silence bi mu jël doona li nga xamni lu ñu perte la aussi parce que habitué wu ñu ci lool merci nga euh, baal ñu koy yek mais je ne sais pas encore les raisons mais ne bàyyi les détenus politiques libérer prison yi bàyyi nit ñi am ak ex liberté d'expression fi Sénégal Ken nekku fi nit nit nit ki nga xamni ni ñu doon nitu jamm vraiment prison yi fess na détenu politique yi bare na te loolu loolu vraiment fay du rafetal suñu démocratie na libérer tous les prisonniers politiques aussi simple. bu ko au tribunal de Dakar wala jugé waat foofu mbir après mu wax ñu jàllaat ci yeneen instance yi des et loolu day jël temps et vraiment cette question question éligibilité éligibilité nit amna droit am ambition am projet nous, beaucoup doon électeurs. donc je ne vois pas pourquoi on doit prolonger ce débat et bi ñong ni ñuy aduna nous bi Sénégal c'est une grande démocratie. Vraiment, j'exprime toute ma déception, ma surprise pour la bonne et simple raison qu'en venant ce matin ici, nous tous leaders de Yéhu Askanui, alliés du président Ousmane Sonko dans cette coalition, nous pensions qu'enfin, on allait lui permettre de pouvoir disposer de ses fiches de parrainage. Et avec le peu de temps qui nous sépare du début du dépôt, de pouvoir se faire parrainer comme il le souhaite et participer à l'élection présidentielle. Mais cette décision qui renvoie, euh, qui renvoie tout le monde devant le tribunal d'instance de Dakar ne fera que ralentir justement euh, la décision finale pour qu'il puisse disposer de ses fiches. Et on n'a plus beaucoup de temps parce que je vous le rappelle, c'est entre le 11 décembre et le 26 décembre que les dépôts doivent se faire. Je disais tout à l'heure que le Sénégal est une grande démocratie, c'est ce que même les avocats qui étaient là pour plaider pour le président Ousmane Sonko disait, et une grande démocratie demande une posture. Et la posture veut que tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui sont porteurs d'espoir, qu'on puisse les présenter devant le peuple sénégalais souverain qui, à l'issue des scrutins libres et transparents, choisit son prochain, son président de la République. Donc nous extrêmement déçus dans ce qui vient de se passer, parce que justement, euh, c'est une autre procédure qui va être ouverte avec un autre tribunal et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Merci beaucoup.